évasion maanaam daw euh, suñu benn détenu bu tudd Pape Mamadou Mamadou du Seck waxtaan bi nag dañ si jublu parce que ñu bëri sax neewoon nañ ma euh, jarul jaru ko parce que def ngeen benn bataaxal ah lu ñu daan euh, communiqué ah, fukki fan ak benn ci weer bi ñu ñu nekk que doyoon na man la leen déet xam nga waxtaan moom du mësa doy. té euh, communiqué bi bëri na ñu bokk ñoo xamné duñu ko mëna lire man sax jotna euh, woté ñaari organe de presse pour vraiment ñaan leen euh, communiqué bi dañu ko afficher légui su leen nexé à côté ñu def sen sen sen sen commentaire bam mu woyé tam euh may nañu ko ñu bi itam waxtaan pour pour yaatal parce que ñu koy waxé amna euh un besoin d'information ñi dañu bëgg xam te itam ñii suñu bëggee xam il faut nga ñëw tok waxtaan ak ñom surtout ñun ñi nga xam ne ci li ñuy liggéey xam nga né nañ netali ci ci ci làmmiñu borom té ñun yalla daf ñu nato ñuy liggéey ci ci kasso yi mais momu ñuko day lo xam ne dañ ko bokk ak ñëpp dañ ko bokk ak euh, sénégalais yi dañ ko bokk ak képp kuy dund Sénégal dañ ko bokk ak àdduna ba taxna na euh, day baax lélé ñu tok su dé réro dafa am

donc képp ku ñu am mandat dépôt nga dem di xaar wala ñu tëj la ñu ñoo lay yore ci yore boobu tamit dañu am ñaari sas sas bu si njëkk mooy kaaraange bu si topp mooy euh, réinsertion mun naa ko euh, traduire rek mooy tabax nit nit nu mu duggee ci kaso bi ñu fexe ba suy génn mu tane mu changé mu changé melokaan donc karange bi karange bi nag dafa yaatu Euh, kaaraange bi lu ci jiitu mooy nit bu ñu yoree warul gaañ suñu loxo warul gaañ nit mais tamit fi mu nekk ci kaso bi waru fu mun a génn kaaraange bi gën a yaatu loolu ndaxte ñun dañu sas képp koo xam ne dénk nañu ñu war ko dundal faj ko saa yu ko saa yu ko soobee waaw te du ci fay dara donc ci gàttal lol moy mission de administration pénitentiaire réinsertion mom une xam ngeen activité de réinsertion yu def yoyu du parce que c'est lol sax nous tax ñu top je crois que l'aspect sécurité ci lay insister donc pour aussi, le euh, Pape Mamoudou Seck ni ngeen ko yeen ñep euh, dañu ko euh, placé sous mandat de dépôt ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru soin deuxième cabinet bi moo ko placé sous mandat dépôt lu tax ñu topp ko duma si ñëw bañ a guddal naa bàyyi euh, inspecteur bi suy def version française bi dina leen liiral vraiment euh, dans les détails vraiment chef d'inculpation donc le 20 le 29 juin qui placer placé sous sous mandat dépôt pour Rebus. pour Rebus, pour prison de Rebus. maison d'arrêt et de correction de de Bon euh, ba mu fa yegsee jour boobu def na na yegsi na fa ak ay xaritam ay Moramam, ah ñoo xam ne ñu mu bokkul dossier ak ñu mu bokkulul dossier parce que rëbës day jot mandat dépôt yu tribunal du fisc euh, tribunal de Pikine mais également

xool la examiner la am na infirmier parce que euh, ñun fanweeru fanweeru ak juróom-ñaaru kaso la ñu am kaso bu nekk am na infirmerie ci biir boo xam ne mooy def liggéey boobu moom nag ba mu yegsee euh, ñu examiner ko mu waxtaan ak infirmier bi waxtaan ak infirmier bi ñu kii ko xool situation am ñu xam ne ne euh, dafa feebar dafa feebar donc war na am prise en charge bo xamné ne bu wut ak ñeneen yi ci ëllëg si muy fanweeru fan ci euh, ci weeru weeru juin ak docteur bi docteur Famara Seck ñu ne ki il faut ñu wutal ko rendez-vous hôpital de Dantec fu ñu dem xol ko parce que day ko xamné li ñu gis ak lu mu ñu wax mënuñu ko jël en charge ci infirmerie bi

donc du ma ci mën a dugg yoon mayu ma ko mais rek ci ci misaal gis nga lii benn euh, bulletin d'analyse en tout cas hôpital 2021 mi ngi nii bu 2021 donc février, février, moom peut-être que ñëpp mënuñ ko bañu a yëg mais kenn du ko laam parce que day loo xam ne du ko indaale donc bañ amee euh, rendez-vous bi le premier mu dem consultation

que médecin Sénégal yëpp médecin détenu lañu détenu bu feebar fu may fajoo fi ngeen di fajoo moom foofu lay fajoo daanaka hôpital de Dantec suñuy wax rek hôpital de référence la ci ci ci ci Sénégal mun naa wax sax ci ci sous-région bi donc si la dem ci consultation bi médecin bi recevoir ko examiner ko médecin beaucoup de recevoir examiner ko l'école administration pénitentiaire man mi sax xawmako ma ko waaw xaw musuma ko gis spécialiste le mu defal ko billet d'hospitalisation bi comme nous mu la ko waxee bu photo comme nous mu la ko dossier médical la euh, waruma ko partager mais dama leen kay wan rek au moins ngeen gis ko bam ko examiner xool ko ne kii ak jangoro bu mu am na tok pavillon spécial ngi nii da ko bind noir sur blanc na tok pavillon spécial parce que pour mu mun ko gën gérer mayu ko sax mu dem mu dem euh, rebeus parce que rebeus am ni fa infirmerie am na ño xamné fièvre feebar nañ mais foofu lañ leen di sété donc ci lañ ko bayyi euh, pavillon spécial

ba faju faju ba wër donc ci lañ ko yobbu fofu bañ ko yobbo fofu le premier donc soo leen seetloo a daanaka ñaari Goudi, la fa def ci benn fan ñaari Goudi. ba mu ñëw le 29 ci Goudi. la fa fanaan le 30 ñu wutal ko rendez-vous le premier mu xey dem pavillon spécial ñu transfère ko sur biais d'hospitalisation du médecin, avec bien entendu l'apport du médecin-chef de l'administration pénitentiaire. accepte que faut suivre instruction docteur bi lu ñu ko war a defal yëpp ñu ko koy defal subak ngone, subak ngoon ci dafa ba chaque jour soin yu mu le jot mu jot ci ci anam yu mu

loolu mooy dëgg bi maintenant loolu su amee ku nek amna na sañ-sañ laajte mais lolu nak la mu nekké lolu tamit ku nek amna sañ-sañ bi donc ba affaire bi amé parce que aussi euh, euh, évasion maanaam ñu téye la ci kasso ba rëcc ci kasso la bokk amul kaso aduna budul am budum mais moi, ñu incident ñun buñu a en tout cas ci profession buñu nek nga garde wala nek ci détenu la dem na c'est parce que yow mi yor ko yow mi yor ko ba tax na euh, dem yu su amee dañu koy nangu wax ko après nag def lu ñu war a def parce que lu lu am solo mooy ñun suñu liggéey liggéey liggéey takk der bi ñuy def nii euh, dañuy dañuy anticiper comme ni ko tubaab di waxee lépp lu war a am ci kaso ñun xam nañ su amee lan ak lan ak lan la ñu war a def.

juge du deuxième cabinet moo ko dénk wax na ko ko wax na ko procureur loolu mooy lu njëkk loolu su weesoo mais ñu dem xool def constatation yu xool mais lii nag la mu nekke parce que loo gis rek am na explication dem na waaw mais naka la def ba dem loolu ñu ngi ci ñu ngi ciy saytu am na élément yoo ko mais loo gis rek wax appam a jot donc def nañ constatation bi euh, de police judiciaire yëg nañ ko nañu enquête administrative parce que xam nga évasion su amee ñëpp a ci am parce que c'est un délit yow Yomi ñu dénk surveillance bi amna ay charge yo xamné ne mën na peser sa kaw parce que ak lu ti xaw négligence mom il faut mu top la ak lu ti xaw donc ubbi nañ ak enquête administrative on a pris des mesures de lañ ay mesures conservatoires tout le temps ñu ne lan ngeen def mais amna lo xamné tamit suñu koy def mais day yem suñu biir amna lo loo dafa bokk biir administration pénitentiaire léegi na mesure conservatoire ku nek fu muy liggéeyee soo defee erreur wala nga juum wala nga def faute suñu ñuy jël yenn daan sa kaw mais kenn du jënd kenn du jël tama ah, wala dem Facebook di ko fa def day lo xam dafay yem suñu biir li leen wax moy jël nañ ant ah, des des des des mesures conservatoires également xam nga né évasion fu mu amé day am enquête judiciaire des enquête des enquêtes judiciaires. judiciaire moi, moo koy de ce fait qu'il y a une mesure qui concerne l'agent euh, concerné administration pénitentiaire balangé ngeen jël ne ngeen na rek de lu fekk place mandat dépôt te mandat dépôt c'est une action action judiciaire maintenant sur le plan disciplinaire hein, on a pris des mesures conservatoires pour vraiment euh, yo xamné mo ñuy ci fu dëgg bi nek fu dëgg bi nek xam déjà dem lu def ba dem té tamit fexé ba luñu ñu dalat xam nga tam loolu tam mu am solo ci mbir dala la da nga wara xam pour nga mëna responsabilité ku def ak ku deful ak mais également def tout ba li la daloon bu mu la dalaat jàngat jàngat bu am solo la boo xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci nekk enquête bi nag mi ngi dox ñu ngi ci kawam am na ñenn élément am nañ ay élément mais motagul su matee ñun dinañ ci jël ay matuwaay ba tam xool nak la ñu koy yeggalee tam du lépp tamit la ñu war a communiquer parce que tamit Euh, ñun dañu nekk ci service boo xam euh, le caractère secret de la défense et de la sécurité tam dafa am solo ba mu amee tamit ci première waxtu yi waxtu yu jiitu yi def a fait un avis de recherche et d'arrestation xam nga que nga def communiqué yi ay kii yooyu il faut nga def ko ba pare parce que si defee communiqué day gaaw a tas day te ñu war a taxaw pour baare ko ñu war a taxaw pour xool fu mu nekk dañ leen di jiitu donc loolu yëpp dañu ko def ba pare soog a def communiqué bi donc police ak gendarmerie yëpp yëg nañ ci waxtu yu njëkk yi que Pape Modou Seck génn na ci kaso bi daw na waaw génn na ci kaso bi taw na te man soo leen seetloo man saa yu may wax ak ñi ñi ñi heureusement heureusement euh, évasion génn daw bokkul torop ci esprit Sénégal sénégalais gis nga camp bi ñu nekk tey tey suñu bon bunt bi ne dem leen suñu bon bunt bi rek seetaan maanaam soo jëlee euh, téeméeru pàcc juróomi ñoy dem mais ñeneen dañuy toog dañuy toog teggu tuuma dignement mais nag juróomi dinañ dem àdduna nag noonu la àdduna noonu la te loolu tamit il faut que ñu accepter ko donc euh, les recherches se poursuivent maanaam seet bi mi ngi continuer ñu ngi continuer di ko seet fu nekk waaw gisaguñu ko nag

so amé lula lula metti wala li nga nga bëgg a ñaxtu defee ko neneen lulul di di daw wala di grève de la faim parce que dalay perte loo temps rawatina daw parce que comme ngeen ko xamé daw day yok xar bi karaw parce que so dawé liñ lay topé day tegu daw bi ñëw yok ci parce que daw c'est un délit

j'espère que vous lu Moi, Je damay lancer un message à Pape Moumoudou Sek. je crois que am solo parce que xam nga évasion su nous nous ñi administration pénitentiaire y a des responsabilités. responsabilité c'est une faute matadi la suñu suñu suñu suñu bor, parce que nit waruñu la ko mun mu dem ak nu muntu demé donc ñun suñu part de responsabilité ci lolu dañu koy assumer waaw te luñ ci wara luñ ci wara a def lépp ba situer responsabilité yi benn ñaar li dal duñu dalat dinañ ko def mais tamit lent am ki dem am na responsabilité parce que moom choisir dem part de responsabilité am aussi da ko war assumer moo tax ma koy ñaan fii li mu def juumte la juumte la na delloo xelam na delloo xelam ñëwaat pour ñaari mbër bu njëkk bi mu ñëwaat faju

donc na dellu si pour faju ben ñaarel bi na dellu si teggu je crois que loolu mo moo ëpp solo wax nañ la def nga dara yo japp nga ne def def defoo ko mais ñewul nga taxaw nga teggutuma tuuma lu mu mënti def affaire bi day gën compliqué rek ci amul solo c'est une perte de temps donc man kay ñaan mu dellu si faju teggatuma fi may daanalee également comme xam nga ne ñu ñëpp dañ koy wër damay ñaan aussi citoyen bi sénégalais yi vraiment ñu ñu jàppale ñu ci waaw soo luy gisee également division bi dañ def une division large hein naam wax nañ ko police wax nañ ko gendarmerie mais ñun suñu compte Facebook def nañ ko ci parce que tam nit su rëccee da ngay def une diffusion large avec sa photo du caagan ne dañ ko bëgg euh humilier wala dañ ko bëgg mais du noonu la procédure lool la nit soko ko bëggee gis ah da ngay envoyer rechercher avis de recherche da tek ko fépp fo xamné nit mën nako ko gis ah su ko gisee signal len ko donc ma ngi ñaan vraiment euh, sénégalais ñu ñu jàppale ñu ci parce que euh, ñun si suñu liggéey dañ naan un évadé est un danger

Euh, détenu yu nekk pavillon spécial naam ay détenu la mais malade bi malade bi moo ëpp détenu bi waaw parce que xam nga nga feebar rek am yenn feebar yi daanaka kaso la waaw soo jógee su la nga nekkaat kaso dafa mel ne nekk nga kaso ñaari yoon ce qui fait que euh, euh, traitement bu détenu pavillon spécial am nekkuma fi di justifier quoi que ce soit aussi bokkul ak traitement bo xamné ñi nek camp pénal ñi nek gi ñoko euh, lañ leen di tek bokul donc pavillon spécial détenu euh, malade bi mo ëpp doole détenu bi donc ci lolu ma ngi daanale fofu di di bam doat sama appel bi euh, képp ku ci xam dara nañ ci jappalé mom su dem ngi ñuy dégg tamit na dello ci xalam vraiment ñew faju et puis Euh, teggituma vraiment maa ngi leen di gërëm di leen sant ah vraiment ci ci ci wuyu bi di wax ne nag euh, mbir bi moom du leneen lu dul toj kaso noonu laa ko mun waxee ci olof toj kaso jënd waaw parce que kaso moom ah euh, suñ la génnee corvée ci biti sax ci buntu campagnat sax nga jóge fa daw su ñuy wax da nga naan da nga toj kaso dem waaw donc toj na kaso bi rëcc na dem na loolu mooy lu am waaw waaw suñu si amee leneen lu bees nag ah ci ci lu ñuy def ci seet bu ñuy def waaw dinañ leen ko yeggee soit nii wala wala communiquer en tout cas maa ngi leen sant di leen gërëm wasalaam.